xam ne également ci euh, semaine yi ñu jógee euh, je pense que xawoon na jóg par rapport ak euh, rapport Cour des comptes bi génnoon on a entendu beaucoup de de choses ñoom au niveau de la wala bokk ci con CRBS bi en tout cas li ñuy njëkkati di ko ajouté li si bëri mooy 140 millions yooyu ñuy tudd. ci euh, jëflante bi doxoon diggante euh, ministère des sports ak fédération sénégalaise de basket bi euh, jëmoon ci fonds force Covid yi nga xamné jamono jojo amon na ay fonds yo xamné ne alloué woon nañ ko sport bi ku ci nek am luñu ci cërale woon ñoom nee nañ 140 millions yo xamné ne d'après recommandation yi nga xamné Cour des comptes def na ko ba léegi mënuñu ne xaalis bi fi la joggé ak fii la dugg donc je pense aussi c'est important que tay bo togué fi en tant que journaliste bien sûr mais surtout kiy liggéey ci ministère bi nga indi ay leeral ci wàllu euh, détournement à ñom ñuy wax fan lañ ko tek ak lolu wér la wala je ne me fie pas aux rumeurs. Mm-hmm. parce qu'à chaque fois que tu parles d'un détournement. ou bien mm-hmm. à chaque fois que tu parles au moins d'un décaissement. Mm-hmm. ou bien d'un surplus. tu dois pouvoir apporter des justificatifs. comme souvent. les gens ils sert, ils sont dans l'émotion. ils sont pas dans les fondamentaux mais dans l'émotion. affaire ñu dans l'émotion. il y a eu un rapport la Cour des comptes. Mhm. Et le rapport de la Cour des comptes a été très clair. Et dans les, dans les, dans les, qui, dans les, dans les observations... 140 millions, il décaissement, pièces non, justificatives. Non, non, c'est pas vrai. Dans les, dans les observations, mhm. ils ont dit mhm. que vous avez décaissé et vous avez donné sur la base en espèces. La prochaine fois, faites un virement bancaire. C'est ça qui a été dit dans les rapports. Allez voir les rapports de, de la Cour des comptes. Personne n'a été épinglé. Parce que les gens, sur la base de l'émotion. Mhm. Il faut pas, chaque fois, quand vous avez un rapport, lisez le rapport et voyez quelles sont les recommandations du vérificateur. Mhm. Et ça, c'est important. Mhm. Parce que le vérificateur, sur les il a fait réponse. daf lay jox par exemple une questionnaire a répondre ko voilà après il y a yow yaay tontu telle date soo tontulee Il y a tëj ne ah, Il y kat tontu mais la preuve comprendre nga quand on a interpellé M. le DAGE du ministère des sports monsieur il a répondu et il n'y a pas eu d'épinglé. On n'a épinglé personne. On a, il n'y a pas eu de, de, de, malversation ni rien. Les gens, ils, ils sont dans l'émotion. Automatiquement, ils amul. Moi, je pense que il faudrait que nous, nous, les Sénégalais, nous, nous, filles, nous, et nous, nous, filles, nous, amal njëriñ seen réew ak ñi nga xamni ñom bëggu ñu seen réew parce que lepp lu ñu bëgg moy tar réew mi réew mi nag ñun duñu seetaan ñukoy tal lolu loolu mara day parce que ñun ay sénégalais lañu fi lañu juddoo fi lañu yoro fi lañu amé suñu teranga mhm. aussi et dañuy wax dëgg Mhm. aujourd'hui on a épinglé personne il y a eu des recommandations qui ont été faites pour le dire la prochaine fois quand vous décaissez de l'argent faites-le sur, sur la mhm. mais quand c'est que moi, souvent dañuy porter une plainte après il ne peut pas apporter des preuves après nit ñi ñoo ci daw di def médiation di wax jéggal ko wala mm-hmm. Moi, je man chaque fois je ne me fie jamais à ces déclarations quand je lis quelque part et je lis je m'abstiens c'est bon pour ma gouverne pour si mm-hmm. suñu ma interpellé je puisse répondre. Mm-hmm. mais du me basé sur la base d'une rumeur. wala yow après vous me la dites, Moustapha di la moi, on ma wanee gannaaw ma bëgg le poignarder dans le dos moi je ne suis pas de ce genre là.